Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au forum du studio Kalangu. Ce soir, nous allons parler de la place de la communication dans la pratique de la religion au Niger. Quel rôle joue la communication dans la préservation de la coexistence pacifique entre les religions au Niger Quelles sont les attitudes communicationnelles à promouvoir pour renforcer cette coexistence pacifique des religions au Niger pour en débattre, nous avons le plaisir de recevoir comme invité Sheikh Braham Aboubakar, président du comité de dialogue interreligieux CEDIR en ligne au téléphone. Pasteur Issa Moussa, pasteur évangélique, également membre du comité de dialogue interreligieux CEDIR et à prédicateur. À la modération de ce forum, je suis Michel Deji. Une fois de plus, euh, bienvenue si vous venez de nous rejoindre pour euh, le forum de ce soir portant sur le thème Place de la communication dans la pratique de la religion au Niger. Cheikh Braham Aboubakar, président national du CEDIR. D'abord, comment se porte le dialogue euh, entre les différentes confessions religieuses au Niger Merci Michel, merci au studio Kalangu pour cette occasion. Au Niger, on peut dire que le dialogue est en train d'amorcer un meilleur jour dans la mesure où ce, dialogue, on est en train de, le vivre au quotidien sans accord Le dialogue, c'est quelque chose qui fait partie de la foi, de la religion. Toutes les religions reconnaissent le dialogue, toutes les religions célestes en tout cas pratiquent le dialogue. Quand on parle de dialogue, on parle aussi de communication, donc la communication et la religion sont comme l'arbre et son écorce, donc euh, elles sont inséparables. Le bon Dieu lui-même, c'est pour communiquer qu'il a envoyé des envoyés, des messagers, des prophètes à l'humanité. C'est pour communiquer avec cette humanité que euh, le bon Dieu lui-même leur a envoyé des messagers. En tout cas, chaque messager a été un communicateur euh, peut-être que les gens ont souvent compris ou, accepté, peut-être que souvent les gens n'ont pas euh, compris. Dieu est allé jusqu'à parler directement avec Moïse, sa bouche comme on dit hein, <laughs> entre, humains. Donc euh, même si c'est pas Dieu n'a pas de bouche comme la nôtre, mais quand même il a parlé directement avec Moïse. Mmh. De la même façon que il a eu cette, mode de communication avec Jésus, avec le prophète Mohammed par la transmission qu'on appelle le wahi, c'est-à-dire c'est, une révélation, euh, voilà, c'est une sorte de révélation, euh, donc c'est une, autre forme de communication. Donc tous les messagers euh, ont donc communiqué avec leur peuple à travers des prêches, à travers des sermons, etc., etc. Donc la communication c'est tellement important dans la religion. C'est pourquoi les religions l'ont hum, réglementé les religions ont mis, ont mis des balises euh, au niveau de la communication pour que cette communication puisse être utile à l'humanité et non l'inverse. Quand on a demandé au messager d'Allah, le prophète Mohammed qui est un musulman, c'est-à-dire on lui demande euh, de, de brosser le tableau des musulmans. Et on lui a dit, un musulman c'est qui Il a dit, un musulman, c'est quelqu'un qui ne fait pas de mal par sa bouche, mmh. ni par sa main, oui, Donc, euh, c'est quelqu'un qui est pacifique. Donc, pourquoi par la bouche Parce qu'il a même d'ailleurs commencé par la bouche. Il n'a pas dit par la main et sa bouche. Non, il a dit qu'il ne fait pas de mal avec sa langue ni avec ses mains. Mmh. Pourquoi le messager d'Allah a commencé avec la langue Parce qu'il sait que c'est la mère de, de tous les péchés. La langue, les Arabes disent que c'est un lion qui vous dévore si vous ne savez pas mmh. euh, vous vous l'apprivoiser. Donc la langue aujourd'hui, on a vu beaucoup de, de méfaits de, de, de, que la langue n'a peut provoquer, surtout à l'heure de, la communication ouverte mhm. à travers les réseaux sociaux. Vraiment, il y a des calomnies, il y a toutes sortes de choses. Donc, vous voyez, donc c'est important pour un homme de foi de maîtriser sa langue, mhm. de savoir euh, adresser sa parole. D'ailleurs, il y a des gens qui disent qu'il faut manier cette fois sa langue dans sa bouche avant de parler. C'est la sagesse africaine qui le dit. Mhm. Donc, oh, c'est pourquoi les religions ont balisé, ils ont dit que dans la vie courante, même, il faut savoir bien parler. À, plus forte raison quand il s'agit de, de s'adresser à, des gens pour les faire venir à la foi en Dieu, pour les euh, ramener à Dieu. Donc, ces gens-là, il faut savoir leur parler dans la douceur, dans la courtoisie. D'ailleurs, le Saint-Coran nous dit appelle les gens au prophète appelle-les au sentier d'Allah avec courtoisie avec euh, des paroles douces hmm. c'est ce que dit le Saint Coran donc le prédicateur c'est pas quelqu'un c'est pas un va en guerre c'est pas quelqu'un qui est là pour régler des comptes c'est pas quelqu'un qui est là pour calomnier pour injurier le, prédicateur doit être quelqu'un de sage, quelqu'un qui a une mission. Et quelle mission La mission divine, la mission d'Allah. Mhm. Il est, est quelqu'un qui travaille toujours soit avec la Bible, soit avec le Saint-Coran. Et tant que la personne n'est pas sortie de ses livres saints, la personne dira rien que la vérité et la vérité seulement. Mhm. Merci beaucoup, pasteur Issa Moussa. Que recommande le christianisme sur la communication entre chrétiens et les personnes des autres confessions religieuses Merci pour mhm. euh, l'honneur que vous nous faites de nous inviter au niveau de ce studio, mhm. donc pour pouvoir parler d'un élément très important dans la vie d'une société, qui est la communication, donc dans le domaine de la religion nous savons que la communication, c'est une méthode à travers laquelle on transmet un message. Mm. Donc, euh, deux fois, dans la transmission de messages, celui qui transmet, le transmetteur de messages, il transmet un message au lieu d'améliorer donc euh, les relations au niveau des individus dans la société, mm. ça ne fait que détruire même ce que donc alors la société possédait. Mm. Donc, euh, quand on voit dans le domaine euh, du christianisme, la transmission d'une bonne euh, communication est indispensable pour la survie même de la foi. Mmh. Donc, quand nous prenons donc aussi en tant que pasteur, nous avons le devoir de transmettre un message de paix, mmh. un message qui réconcilie, un message qui attire l'attention de, de, la société, un message qui édifie la société. Et nous voyons que Dieu même il nous a chargé de ce message, c'est pour aider la société, c'est pour aider les individus d'abord, parce qu'une fois que l'individu étant donc alors ayant reçu l'intelligence renouvelée, comme ça se trouve dans la parole de Dieu quand nous lisons dans Romains chapitre 12, il est très clair que le message de la parole, c'est pour renouveler l'intelligence de l'homme, mhm. pour que l'homme fasse la distinction entre le bien et le mal. Voilà le but du message dont nous avons le devoir de communiquer aux individus et qui aura un impact sur la société. Parce qu'une fois que l'homme qui reçoit le message, donc a eu cette intelligence renouvelée, donc alors c'est qui est sûr qu'il aura, il y aura une société qui va vivre dans la paix, une société là où il y aura l'harmonie, il y aura la cohésion. Donc c'est pourquoi la transmission de messages de la part du religieux doit donc doit être, si on peut le dire, mathématiquement comme calculé pour savoir quel sera l'impact du message que je suis en train de transmettre. Mhm. Et quel type de message je suis en train de transmettre à des individus. Parce que dans ce message, s'il y a quelque chose qui ne concorde pas, ça peut entraîner des problèmes. Et nous voyons que dans, aujourd'hui, dans le monde entier, la religion, le message provenant des hommes religieux crée plus de problèmes que les messages des politiciens. Mhm. Parce que Ils sont mieux écoutés. Pourquoi Parce que lui, le, donc le religieux, il a un auditeur qui lui fait totalement confiance. Mm-hmm. Parce que tout ce que, pour eux, tout ce que le prédicateur dit ou le prêcheur dit, donc c'est la vérité. Mm-hmm. Donc vous voyez, c'est pourquoi il a un impact. Parce que c'est une question qui est là spirituelle, une question qui est mentale, qui frappe. Mm-hmm. Donc ce qui veut dire que ce qui sort de la bouche donc du prédicateur ou du prêcheur, donc c'est ça la vérité et ça impacte le côté spirituel, le côté mental de tous ceux qui l'entendent. Et c'est ce qui va amener la personne d'agir selon la façon dont il a reçu la communication. Et c'est pourquoi nous avons le devoir que quand nous communiquons, nous devons savoir ce que nous allons dire à la société. La survie de la société en dépend. Parce qu'il suffit de dire quelque chose que toi n'es pas, quelque chose qui vient de la religion, ni de la, de la parole du livre que tu crois. Mmh. C'est un problème qui est là pour toi, c'est un sentiment que tu as exprimé. Mhm. Celui qui t'écoute, il va dire que ah, ce qu'il a dit, c'est vrai. Et là, ça va enflammer, ça va détruire, ça va nuire les relations. Mhm. Ça va causer des problèmes. Parce qu'on a vu dans beaucoup de pays, un petit mot entraîne vraiment des déchirures donc, dans la société. Et c'est pourquoi c'est pas n'importe qui qui est appelé à communiquer, à transmettre le message de la parole de Dieu. C'est pas n'importe qui. Parce que c'est une responsabilité. Et c'est pourquoi dit, Dieu lui-même dit, qui seront les premiers à être jugés Ce sont ceux qui proclament la parole de Dieu. Mm-hmm. Donc c'est pourquoi nous devons faire très attention. Donc par rapport à ce que nous disons, nous, nous sommes des porteurs de messages de paix, de messages pour amener l'homme à avoir une bonne relation avec son Dieu. Voilà le message que nous devons transmettre. Voilà notre devoir et voilà le type de communication en tant que religieux, nous devons donner aux gens afin qu'il y ait cette cohésion, cette paix donc sociale. Mhm. Merci beaucoup. Allô Maïga, prédicateur, euh, que dit l'islam sur euh, la communication intra et interreligieux En matière religieuse, il est dit Dieu même dans, ses attributions, a bel bien dit communiquer, appeler les gens dans la religion par la voie la meilleure. Donc pour le prédicateur ou pour les religieux, il est tout à fait indiqué qu'il faut appeler les gens, les gens d'une manière compréhensible, posée, mais pas dans la violence. Et c'est pour ça que nous, au niveau du comité de dialogue inter et intra-religieux, nous faisons justement de la sensibilisation sur la tolérance, hein, sur le rapprochement entre les gens. D'abord, il faut chercher à connaître l'autre, se rapprocher de lui, de la meilleure manière que soit. Mais euh, c'est pour ça qu'au niveau du CEDIR, nous condamnons euh, les prêches violents que nous appelons, il y a certaines attitudes que nous considérons que ce sont des prêches violents. Mm. Tu peux appeler quelqu'un dans ta religion, dans ton culte, mais pas diaboliser les autres. Donc les prêches violents, nous, nous les condamnons. Et c'est pour ça que les religieux doivent faire très attention, puisque vous êtes là pour d'abord communiquer, éduquer, hein, informer, mettre le message divin, comment les gens doivent se comporter entre eux d'abord comment d'abord apprécier la grandeur divine. Et dans ce contexte-là, c'est de la meilleure manière, il faut savoir, puisque déjà en islam, le, quand vous rencontrez un euh, concitoyen, salam, la paix d'abord. Donc, cette condition fait que dans la religion, c'est une obligation dans la religion musulmane, un comportement hein, acceptable qui attire les gens vers vous et non qui repousse les gens vers vous. Donc la communication, elle est très importante. Ça rentre dans l'oreille de quelqu'un d'autre. Mmh. Alors, si ils en fait une autre interprétation que telle que vous, vous l'avez envoyée, vous voyez ce que ça, ça, D'ailleurs, dirais les conflits politiques sont toujours circonscrits, mais les, conflits religieux, ça, embrase le monde entier. Merci beaucoup, Cheikh euh, Braham euh, Abubakar quel rôle joue donc euh, cette communication dans la préservation de la coexistence euh, pacifique entre les religions au Niger Cette méthode de communication visant à faciliter le mieux vivre ensemble entre les humains Vous savez, Michel, que toutes les religions célestes sont venues avec des, des normes, des normes au plan moral, au plan social, etc. Donc, ils ont apporté ce qu'on appelle la loi de Dieu. Mm. Donc, Dieu, il aime tellement l'humanité qu'il il, a, mis des, règles pour que cette humanité puisse s'épanouir. Il faut respecter ces, ces normes. Ces normes, on les trouve partout, dans le mariage, dans les rapports humains, dans la pratique au quotidien de la religion dans la distribution des richesses, dans la gouvernance. Partout, le bon Dieu a mis des règles hein, pour cette humanité. Mmh. Donc, euh, c'est quoi le rôle du prédicateur La communication a un objectif, a une finalité. Il s'agit d'amener les gens à accepter, à comprendre d'abord ces normes euh, divines, ces règles euh, par euh, Dieu mais aussi de les accepter et surtout de les mettre en pratique. Alors, dès lors la cause est entendue, le prédicateur doit être quelqu'un de très euh, intelligent, quelqu'un de très courtois, quelqu'un euh, qui, n'est pas passionné euh, dans sa démarche, donc quelqu'un qui sait vraiment mener tout le monde à comprendre, à accepter et à appliquer euh, les règles établies par Dieu. C'est ce qu'on appelle le prédicateur. C'est quelqu'un qui travaille pour Dieu. Il ne travaille pas pour lui-même. Il n'a pas de, de, de règlement de compte à faire. Non, il est là, lui-même, sa personnalité, son niveau, son moi faces. Il est là pour travailler pour Dieu. Donc, dès lors, il doit dire quelle est la vérité. Il doit dire que ce qui euh, réunit les gens et non ce qui divise les gens. Il ne doit dire que ce qui permet aux gens de, progresser vers Dieu. Mm-hmm. Donc la communication, c'est très, très, très important. C'est pourquoi euh, il faut, euh, l'islam demande d'être très courtois, de bien communiquer d'abord avec ses parents, de ne jamais leur opposer une parole forte, une, parole de méchanceté. Euh, il faut toujours euh, être courtois envers ses parents. me dit aussi qu'il faut que euh, tu respectes ceux qui sont plus grands que toi. Il faut que tu respectes ceux qui sont plus petits que toi. Il faut que les plus petits respectent les plus grands. Il faut que les plus grands respectent les plus petits. C'est comme ça que la société et pour se parmi. Donc, il faut que, euh, euh, en islam, il faut que tu puisses euh, dire des paroles douces envers ceux qui ne sont pas dans ta religion, pour que par, le biais de ces paroles douces, ils puissent peut-être rejoindre ta religion. Quand c'est des gens qui n'ont aucune religion, par exemple. Donc, ce n'est pas en les menaçant, ce n'est pas en leur jetant d'anathème, ce n'est pas en les maudissant ce n'est pas en leur promettant l'enfer que vous allez le faire revenir à la religion. Dans le, dans le Saint-Coran, Allah dit même, il ne faut jamais insulter les mécréants. Qui sont les mécréants Ce sont les gens qui n'ont pas de religion. Ce sont les, paganistes, ce sont les, païens, les gens qui n'ont pas de, religion, qui n'ont pas de direction. Donc, le Coran dit aux musulmans, voilà, les N'insultez pas les gens qui adorent autre chose que Dieu, c'est-à-dire qui adorent les pierres, etc. Il dit de ne pas les insulter pour qu'en retour, ils ne puissent pas insulter Dieu mm-hmm. par mégare, par ignorance. Donc, on a compris que si vous, vous insultez ceux qui n'ont pas de religion, vous insultez leur religion, quoi qu'on puisse dire de leur religion, si vous les insultez, il, se pourrait qu'eux aussi en retour, ils, insultent votre divinité. Et ça, c'est un grave péché. Et c'est vous qui êtes à l'origine de cela. Donc Dieu nous prévient. Il dit de ne, les insultez pas pour qu'en retour, ils n'insultent pas Dieu. Vous voyez Donc, euh, la bonne communication, c'est ça qui régit le monde. La bonne communication, c'est ça qui fait la foi. C'est ça qui fait la force du prédicateur. C'est ça qui fait que le sermon soit utile pour que les gens auront envie de revenir encore et encore chaque vendredi à la mosquée ou chaque dimanche à l'église pour écouter le prédicateur. Hum. Il faut communiquer, même en face d'adversité, même en face de difficultés, il faut toujours donner le bon, il faut toujours donner le meilleur. C'est ça la mission dévolue à chaque prédicateur. Hum, hum. La prédication au niveau de la religion ne consiste pas à insulter l'autre, à insulter sa religion. Il ne s'agit pas d'affaires personnelles. La religion consiste juste euh, à appeler euh, les gens vers Dieu. Donc vraiment, c'est important pour l'homme de la foi d'éviter de verser dans des choses qu'il ignore. Quand tu ne connais pas la religion de l'autre, euh, je vous conseille d'apprendre à, connaître sa religion, ça permettra de, découvrir beaucoup de points communs, beaucoup d'affinités. Ça vous permettra de vous rapprocher d'eux. Ça vous permettra de le comprendre, de pouvoir vivre en harmonie avec lui. Mais si vous, vous restez dans l'ignorance de sa religion et que vous permettez encore de dire des choses sur sa religion, là, ça n'amène pas la paix sociale, ça n'amène pas la cohésion sociale. Donc, la voie royale, c'est de chercher à comprendre la religion de l'autre, c'est de chercher. Quand tu ne connais pas sa religion, c'est de respecter sa religion, tout simplement parce que tu, euh, tu ne la comprends pas. Même avec les mécréants qui adoraient le bois et les pierres, Allah a dit Donc c'est une règle cardinale qui permet à n'importe qui de vivre avec n'importe qui. Il y a un, verset dans lequel Allah dit au messager d'Allah, c'est-à-dire si un mécréant, c'est-à-dire quelqu'un qui n'a pas de religion, un associateur, quelqu'un qui adore le bois, la pierre, etc., si il se présente à toi, au messager d'Allah, demandant d'être ton voisin, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui adore euh, autre que Dieu, il, vient au messager, vers le messager d'Allah, lui demandant de lui chercher une place pour qu'il vive à ses côtés comme son voisin. Qu'est-ce que le, verset dit Le Coran dit Vite, trouve-lui une place à côté de toi. que c'est quelqu'un qui n'adore pas Dieu. C'est quelqu'un qui ne croit pas en Dieu lui. Il ne croit pas au messager d'Allah. Il a peut-être même dans ses bagages un Et il est venu, il demande à être sur ton voisin au messager d'Allah. Allah dit Très vite, trouve-lui une place auprès de toi. Sois bon envers lui et faites en sorte que tes compagnons ne, ne, ne pas ses compagnons ne l'embêtent pas et ne l'insultent pas pour qu'ils vive en paix à ses côtés. Donc ça, c'est un exemple de bon voisinage. J'ai dit, peut-être à force de vous, entendre, à force de, de recevoir euh, des, gestes d'amabilité, de, partager vos repas, etc., euh, à force de, tout cela, je dis peut-être qu'un jour, son cœur changera et rejoindra la religion de Dieu. Donc vous voyez comment l'islam voit les choses. Le message d'Allah lui-même, on lui dit d'accepter les gens qui ne croient même pas en Dieu, de les, de accueillir comme de bons voisins et de les respecter. Le messager d'Allah, il respecte tous ses voisins. Il avait même une voisine qui lui versait toujours des ordures sur sa voie. Un jour, il a fait trois jours, il n'a pas vu, vu ces ordures-là. Mais il s'est inquiété parce que lui, euh, c'est une voisine. Parce que c'est quelqu'un qui, qui ne croit pas à la religion musulmane. Donc, pour cela, lui, euh, pour, par de cette religion nouvelle, de l'islam, il, les ordures de chez lui, il les déposait euh, devant la maison du prophète. Mais trois jours après, un jour, pendant trois jours, le messager d'Allah n'a pas vu ses ordures, mais il, s'est inquiété, il a demandé, mais on lui a dit, mais il est malade. Elle était malade. Donc, il a pris quelques compagnons et ils sont partis vraiment lui rendre visite pour voir comment va, aller, va sa santé. Voilà comment le, le, la cohésion pacifique, le bon voyage doit se faire. comme dans la région chrétienne, quand on te fait du mal, répond toujours par le bien. C'est ce que dit le, Saint-Coran aussi. Face au mal, répond toujours par le bien. C'est ce que dit le Coran. Hmm. Merci beaucoup, Cheikh, euh, pasteur euh, Issa Moussa. Cette forme euh, de communication basée sur le respect de l'autre malgré les différences peut-elle être donc considérée comme une recommandation religieuse, comme ça a été dit par Cheikh Abraham eh beaucoup. Qui venait d'intervenir. Et cette diversité et cette différence vient de qui Vient de la volonté de Dieu. Mm. Donc c'est Dieu qui a voulu qu'il y ait cette différence donc de culte c'est Dieu qui l'a voulu. Et cette diversité-là ne doit pas être l'objet de, de, euh, euh, l'objet de, différents entre les différents adeptes. Et comme je l'ai dit, donc tout dépendra de celui qui transmet le message. Parce que quand nous voyons que Dieu a voulu cela, c'est pour que la société puisse s'enrichir. Parce que c'est dans la diversité, s'il y a l'unité, donc ça permet à la société de grandir. Ça permet à la société donc de se développer. Et quand nous voyons que ce Dieu qui a voulu, Dieu peut faire en sorte qu'il y ait une seule religion. Mais Dieu a permis cela pour voir toi qui es chargé, toi que j'ai choisi, à qui j'ai transmis, j'ai donné quelque chose. Donc, comment vas-tu le transmettre pour concilier les gens, mmh. pour que les gens puissent vivre en paix Et c'est ça notre devoir. Parce que nous ne devons pas chercher dans cette donc, donc différence-là à essayer de dénigrer l'autre en essayant de mettre sa foi au-dessus de l'autre. Parce que c'est Dieu qui convainc, celui qui a le pouvoir de convaincre. Tu peux transmettre ton message comme tu veux. Dieu peut faire en sorte que la personne ne soit pas convaincue. Mais un message de paix convainc toujours un individu. Si tu lui transmets un message de paix, donc, alors, la puissance qui accompagne ce message de paix-là, c'est ce, ce, de cette puissance-là qui va toucher le cœur et qui va amener des transformations, des changements dans la vie de l'individu. Donc, c'est Dieu qui l'a voulu. Mais nous ne devons pas faire de cette diversité des problèmes pour créer des différents dans la vie sociale. C'est Dieu qui l'a voulu. Donc, Dieu peut faire en sorte qu'il y ait une seule foi sur la terre. Mais Dieu a permis cela pour que chacun se sente le libre choix c'est à nous, c'est à l'homme qui revient le choix. Parce que Dieu a dit, voici le bien, voici le mal, mais moi ce que je veux de toi, toi homme, prends le bien, cherche le bien et pratique le bien. Est-ce que vous voyez mhm. Donc c'est ça ici ce que nous devons comprendre. Parce qu'aujourd'hui, nous avons, il y a des prédicateurs, ils pensent que c'est à travers la force de leurs paroles, de leurs sentiments, qu'ils peuvent convaincre. Non. C'est Dieu qui convainc, c'est Dieu qui a le pouvoir de convaincre pour amener à un individu de changer. Et nous, notre devoir, c'est d'améliorer comment l'individu doit pratiquer sa foi. Parce que de fois, quand nous ne transmettons pas le vrai message de Dieu, nous avons tellement d'adeptes, mais qui ignorent même la foi. Et c'est ça le problème. Donc, parce que les gens ont, pour eux, ce que le monsieur a dit, c'est ça la vérité. Ils ne cherchent pas à chercher la vérité. Par exemple, quand on prend dans les livres des actes, lorsque les apôtres viennent prononcer donc l'évangile, parce que eux, il y avait déjà la Torah qui était là. Donc déjà, il y avait ce problème parce qu'il n'y a pas un endroit aussi religieux comme, comme Jérusalem en ce temps-là. Mhm. Et quand ces hommes de Dieu-là viennent prêcher l'évangile, alors qu'est-ce qu'ils font De leur côté, ils contournent pour voir est-ce que ce qu'ils ont dit là, c'est la vérité. Et c'est ce que beaucoup ne font pas. Ce qu'ils entendent là, ils ne cherchent pas à savoir est-ce que ce qu'on a transmis là, est-ce que ça vient vraiment de la, du livre dont je crois. Hmm. Les gens agissent selon ce qu'ils entendent. Parce que eux, ils font confiance à celui qui donne cette communication-là. C'est ça le problème. Parce que normalement, dans la société, le religieux, là, il a plus d'importance, hein. ça il faut que je le dise, que les autres. Parce que même les autorités, ils vont dire, quand il y a un problème, il faut consulter le marabout, il faut consulter l'homme de Dieu qui est là. Qu'est-ce que nous devons faire Et vous voyez la place, parce qu'on a confiance en lui et ce qu'il va dire, et c'est ça que la société va marcher avec. Mhm. Donc vous voyez bien. Donc c'est pourquoi donc nous devons faire très attention que dans cette diversité-là, donnons ce qui est important pour les adeptes, ce qui va les affermir, ce qui va les aider, les aider de se rapprocher, de faire la volonté de Dieu, d'exercer leur foi dans la droiture. Hmm. C'est ça qui est important. C'est une parole donc qui permet à l'homme de se voir et de se sentir à l'aise, hmm. mais pas de créer, donc de donner une autre mentalité à l'homme pour aller agresser l'autre. Ça, c'est n'est pas la parole de Dieu. Hmm. Mais Dieu dit, heureux sont ceux qui font la paix. Merci beaucoup. Parlons à présent des attitudes à promouvoir pour renforcer cette euh, coexistence euh, pacifique des religions au Niger, à l'Omega, dans un pays. Pourquoi on a intérêt à faire la promotion de cette euh, forme de communication Tout un chacun connaît que vilipender quelqu'un, essayer de le traiter de tous les mots, ne mène que à la barbarie ou alors et n'est pas dans notre religion. La religion, comme elle dit, toutes les religions viennent de Dieu. Il n'y a pas une seule nation dans laquelle Dieu, dans sa clémence, n'a pas envoyé ses prophètes pour aller prêcher sa parole. Hein. Aimez-vous les uns d'eux, craignez vos pères et mères, respectez-les, ainsi de suite. C'est dans toutes les religions, dans tous les, tous les prophètes qui se sont, ont dit les mêmes messages. Maintenant, c'est de la manière de la communiquer, de la transmettre, que cela diverge les uns que les autres se croient avoir le droit, l'autorité de changer les messages. Vous savez, la transmission des messages, eh, c'est très important. Hein. On a fait une expérience tout récemment, là, on a quelques quatre ou cinq personnes, chacun on a chuchoté à son oreille, hein, voilà. Hein. Et à la transmission, un seul a pu restituer ce qu'on lui avait vraiment dit. <laughs> Donc, c'est très important. Donc, Dieu, dans sa clémence, a toujours prôné la tolérance et surtout le respect de l'autre vis-à-vis de l'autre. Et nous, en matière de, comment de communication, nous prenons toujours hein, hein, notre repère, notre prophète bien-aimé, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui, dans sa communication avec ses proches, a toujours dit faites attention à votre proche. Prenez soin de votre voisin. Prenez soin de votre voisin. C'est qui les voisins C'est les gens que vous côtoyez tous les jours, les gens avec lesquels vous êtes tous les jours. Donc, la transmission, ce que va sortir, ce qui doit sortir de votre bouche, aller à, l'endroit des autres, doit toujours être mesuré, hein, acceptable. Tout, à l'heure, le frère, euh, comme Issa Moussa le disait, que, comme dirais-je, quand il y a, comme à tout moment, il y a toujours une place qui est réservée à titre comme de consultatif aux religieux par euh, les, hautes autorités. Hein. Donc cela va de soi. Donc le religieux, c'est quelqu'un qui doit toujours prônait la non-violence et c'est à, quoi tous les religieux euh, se sont attelés et on en, fait notre credo de tous les jours, à chaque jour que euh, Dieu fait, nous nous demandons toujours que cette, euh, comment dirais-je, non-violence soit la raison, la règle d'or pour tout un chacun pour que mm. notre pays ait la paix et qu'il aille à son développement aussi. Charles, on le souhaite. Mm. Donc, ce n'est que dans la paix, dans la tolérance et surtout dans le respect de l'autre. Hein? Il faut respecter l'autre, justement. Quand vous voulez être respecté, il faut apprendre à respecter également. Mhm. C'est très important. Mhm. Merci beaucoup. Il faut apprendre à respecter l'autre, c'est ce que vous dites. Cheikh Abraham Aboubakar, justement, pourquoi est-il important de faire cette communication avec des personnes dont on n'a pas souvent les mêmes convictions, notamment religieuses C'est un peu ça même euh, qui est la raison d'être du Sévir. La mission du Sévir consiste à faire en sorte que les différentes religions ou leurs sensibilités puissent se respecter, s'accepter et, vivre ensemble dans la dans l'harmonie et dans la communion, mhm. dans l'espace qu'on appelle le Niger. C'est ça la mission de, Séville. Amener les uns et les autres à comprendre la nécessité, l'importance de vivre ensemble, mais cela ne peut se faire que si le discours, tout le discours en tout cas, qui s'adresse à l'autre, euh, soit un discours poli, et, en tout cas un discours euh, un discours euh, en tout cas euh, intelligent, réfléchi. Donc, il est important de respecter l'autre pour qu'en retour, vous aussi, puissiez être respecté. Ça, c'est quelque chose qui, qui est dans, dans le livre saint, chez les chrétiens, chez les musulmans, chez les juifs, etc. Et c'est l'appel à la paix. Même ceux qui ne croient pas au livre céleste aiment la paix. Même eux ont besoin de cette paix. Sans la paix, ils ne peuvent pas aller au champ. On ne peut pas aller au marché, on peut pas personne ne peut aller à la mosquée ni à l'église. On a besoin de cette paix. Et souvent, c'est par la parole que cette paix est troublée. Donc, euh, les prédicateurs, en tout cas, eux, ils font de leur mieux tous les vendredis, tous les dimanches, etc., dans les églises, dans les mosquées, dans les lieux de prêche. En tout cas, ils sont en train de faire de leur mieux. Mais parmi eux, il peut se trouver comme l'a dit Pasteur, il peut trouver des gens qui, qui, qui, qui ignorent eux-mêmes leur propre religion. Après, les forte raison, la religion de l'autre et des gens qui peuvent vraiment faire ce qu'on appelle des prêches incendiaires. Ces prêches incendiaires-là, et ça, il ne suffit pas seulement à, des gens comme moi et, vous d'en parler euh, pour, pour, pour, pour, en finir. Non, nous sommes dans un pays de droit. nous sommes dans un pays où il y a des règles où il y a des lois, où il y a des normes. Donc, il faut aussi que l'autorité puisse euh, être à l'écoute. Il faut que l'autorité puisse sévir en cas de violation de la paix sociale euh, par un prédicateur au nom de la religion. Vous, vous n'avez aucun pouvoir euh, pour agir, c'est cela. Au niveau de se on peut approcher la personne, c'est pourquoi on, on, on, on fait ce qu'on appelle le dialogue en intra et puis le dialogue en inter. Donc en intra, c'est au sein d'une même religion où souvent il y a des attaques entre factions, entre sensibilités. Alors qu'on est quand bien même dans la même religion, on pratique la même, la même chose, on, croit au même livre, on, se on, on vers la même direction, etc. Mais avec quelques différences de, de, de façades, de surface, les gens souvent s'attaquent. Donc euh, tout ça, ça met à mal la paix sociale, la connaissance pacifique. Donc c'est pourquoi on, fait ce dialogue interreligieux. Intra-religieux. C'est très important. Apparemment, le dialogue interreligieux nous paraît plus difficile que le dialogue interreligieux maintenant, puisque le dialogue interreligieux vraiment a fait beaucoup de chemin. Mais, mais malgré ça, il y a encore un long chemin à faire parce que beaucoup de gens, euh, comme l'a dit Pasteur, ignorent leur religion. Beaucoup de gens ne savent même pas ce qu'est le, que le, dialogue. Beaucoup de gens ne connaissent même pas euh, son importance. Ils ne croient pas. D'autres sont, sont des religieux, d'autres sont des prédicateurs, mais qui ne croient pas au dialogue, qui ne voient pas d'importance au dialogue. Donc c'est pourquoi on dit il faut que le prédicateur puisse s'est cultivée. Il faut qu'il éloigne son art de la politique. Il faut qu'il se méfie de certaines idéologies et, eh, qui viennent de l'étranger eh, et, qui souvent euh, fait du, ravages ravage au sein au, niveau des sociétés. Merci beaucoup. Pasteur euh, Issa Moussa, quelles sont donc les attitudes euh, communicationnelles à promouvoir pour une bonne promotion de la coexistence pacifique au Niger La première des choses qu'il faut voir, les attitudes, c'est d'abord le prédicateur. Parce que le prédicateur, comme je l'ai dit, c'est quelqu'un qui détient un pouvoir, une autorité qui est spirituelle et qui a beaucoup d'influence dans la vie de l'homme. Le prédicateur doit être quelqu'un que lui-même en lui il y a la paix. Ça, c'est la première des choses. Mhm. Et il doit comprendre donc l'importance du message qu'il est en train de transmettre. Le message qu'il est en train de transmettre, ce n'est pas son message, c'est le message de Dieu. Et le message de Dieu prône la paix. Parce que Dieu lui-même, il dit qu'il est la paix. Et, qu'il donc toute personne qui cherche la paix envers Dieu aura la paix. Donc c'est ça, donc la, première attitude d'un prédicateur. Et en plus de, cela aussi, donc euh, il y a la prohibité de celui qui donne le message s'il veut avoir sa place dans la société, s'il veut avoir sa place, sa dignité, sa responsabilité, son honneur, et être la lumière de la, société, lui, celui qui a cette responsabilité spirituelle doit savoir se conduire, doit savoir mener sa vie. Et donc, c'est pourquoi, en ce temps, quand il donne le message, le message aura un impact. Parce que c'est malheureux dans un pays de dire qu'il n'y a pas vraiment une personne que, une fois, quand il y a quelque chose dans la nation, s'il s'élève, quand il parle, les gens ne vont pas arrêter cela. C'est malheureux de, qu'un pays n'ait pas ce genre de personnes. Il faut, et cette, euh, donc cette puissance-là doit venir des hommes de Dieu. Aujourd'hui, s'il y a quelque chose au Niger, si par exemple un imam s'élève, il dit arrêtez, tout le monde va l'écouter et arrêter. Là, c'est une bénédiction pour la nation. Ça peut éviter beaucoup de choses. Mais pour que cela puisse arriver, nous-mêmes, nous devons, en tant que prédicateurs, voir nos façons de faire, nos façons d'agir. Nous sommes des gens qui sont dans la vérité et nous devons proclamer la vérité, nous devons vivre la vérité et dire la vérité à qui que ce soit. Voilà ce qui fera l'honneur et la, donc alors, et donc la force de celui qui, prend, donc qui prêche la parole de Dieu. Donc, parce que ce qu'il dit ça a une influence sur la société. Nous sommes appelés donc à dire la vérité à qui que ce soit. Ça, c'est ça l'une des attitudes que doit avoir un prédicateur. Si nous, en tant que prédicateurs, en tant que serviteurs de Dieu, nous respectons notre place, la place d'honneur que Dieu nous a donnée, il n'y a pas auprès de qui on va parler et qui ne va pas agir. Hmm. Parce que vont dire que ces gens-là ont vraiment une base derrière. Et ce qu'ils disent là, c'est la vérité et il faut qu'on agisse pour sauver la société, pour sauver la nation. Mhm. Voilà les attitudes qu'un prédicateur doit avoir. Donc s'il a ça, les messages qu'il va transmettre selon des messages de paix. Ce sont des messages de guérison. Ce sont des messages de réconciliation. Ce sont des messages qui vont te permettre donc de voir ta façon d'adorer ton Dieu et de voir comment tu vas faire pour mieux marcher avec ton Dieu. Mhm. Merci beaucoup, Monsieur Aloumaïda, prédicateur. Que recommandez-vous alors euh, face euh, aux dérisions, c'est-à-dire euh, le mépris qui incite les autres à se moquer de quelqu'un à cause de son appartenance à une religion, par exemple Quoique tout individu qui se euh, comme serait distingué par euh, des, propos méprisants ou, comment dirais-je, irrespectueux à l'endroit des autres, n'est pas un religieux du tout. Hein. Puisque nous, au niveau de la religion musulmane, je dis toujours, il faut toujours se référer aux prédications du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui dans son message, qui est reconnu comme étant un message universel, il dit que l'arabe n'est pas supérieur au noir ou le noir n'est pas supérieur à l'arabe ou toute autre religion. Le meilleur d'entre vous, c'est celui qui est euh, euh, par la piété. C'est par là seulement que vous vous surpassez. Donc, à partir de ce message déjà, aucun individu qui se prétend musulman ne peut se prévaloir de quoi que ce soit pour essayer de vilipender les autres. Et ensuite, la religion musulmane reconnaît tous les prophètes envoyés de Dieu dans sa clémence et dans sa miséricorde. On ne fait pas de distinguo entre les prophètes au niveau de la religion musulmane. Alors, à partir de ce moment, maintenant, l'attitude de celui qui doit transmettre le message, comme le disait tantôt mon frère Issa Moussa, compte beaucoup. C'est l'individu même dans sa manière de se comporter que les gens se doivent voir. Quand tu parles, Dieu a dit, le prophète Mohammed sallallahu a dit, tu n'as pas besoin de quelqu'un d'autre. Il n'y a pas de référence, de meilleure référence que Dieu et, et, ce, prophète. Donc la religion musulmane, hein, c'est un comportement de tous les jours, toujours pour le, religieux musulman. Ton comportement, ta manière de faire, ta manière de dire, et même dans ton habillement, il faut que cela incite au respect et à la tolérance. Mhm. C'est là le comportement du, du, vrai religieux musulman. Parce qu'il ne sert à rien de majesté. Si Dieu nous a fait différence, il faut qu'on on soit complémentaire et ne se diviser. C'est dans la complémentarité que nous arriverons à trouver l'issue et surtout un bon comme climat de paix et de tolérance entre les religieux et surtout entre les fils d'un même pays. Merci beaucoup. Fidèles auditeurs et téléspectateurs, nous sommes au terme de ce forum du studio Kalangou qui portait sur le thème place de la communication dans la pratique de la religion au Niger. Nous retenons que la communication a une place importante dans la pratique de la religion au Niger. Cette communication est cependant souhaitée non violente par nos invités dans le but de préserver la paix sociale et pour l'intérêt du pays. Nous disons donc merci à nos invités, Cheikh Abraham Aboubakar, président du comité de dialogue intra- et interreligieux CEDIR, pasteur euh, Issa Moussa, pasteur euh, évangélique, également membre du comité de dialogue intra- et interreligieux CEDIR, et de M. Aloumega, prédicateur. Merci aussi à vous, chers auditeurs, euh, de nous avoir suivis à la modération de ce forum. Je suis Michel Deji, à la technique Abdullah Yakuba. Je vous souhaite de passer une excellente soirée. Au revoir.